le forum Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Senia Yubakaka. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4, Amphani FM 100, Kwarategi FM 90.9 et Challenge FM 96.6. Vous pouvez aussi nous suivre dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et dans plus d'une vingtaine de départements grâce à nos réseaux de 34 radios partenaires du studio Kalangou notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le thème du forum d'aujourd'hui est Décoration honorifique au Niger, importance et avantages pour les bénéficiaires. Ce forum vise à informer le grand public sur les différentes distinctions honorifiques qui existent au Niger et qui sont décernées par le président de la République lors de la fête nationale ou la fête du travail, mais aussi de façon exceptionnelle. Certaines personnalités étrangères reçoivent ces décorations quand elles visitent le Niger ou encore des diplomates en fin de mission. Ce forum va nous permettre de connaître leur importance et avantages pour les bénéficiaires. Chaque année au Niger, lors des fêtes célébrant la proclamation de la République du Niger, de nombreuses personnalités civiles et militaires reçoivent du président de la République du Niger des décorations pour services rendus à la nation. Ils sont élevés au grade de grand chancelier de l'Ordre national du Niger, du chevalier de l'ordre national du maire du Niger, etc. Ces bénéficiaires sont des hommes politiques, leaders d'opinion, des opérateurs économiques, des hommes de lettres, des hommes de culture, des agents des forces de défense et de sécurité, etc. Des diplomates reçoivent aussi ces distinctions à l'occasion généralement de la fin de l'exercice de leur mandat au Niger. Beaucoup de citoyens s'interrogent sur les critères du choix des bénéficiaires de ces distinctions, leur importance et les avantages y afférents. Dans ce forum, nous verrons les missions et les attributions de la grande chancellerie des ordres nationaux du Niger, les critères du choix des bénéficiaires, l'importance et les avantages liés à ces distinctions pour en parler, nous avons dans ce studio M. Ali Sebou. Il est ancien secrétaire général et conseiller technique actuellement de la grande chancellerie de l'Ordre national du Niger. M. Ali Sebou, bonsoir. Bonsoir. Notre invité, c'est M. Tambari Goga. Il est décoré Grande Croix de l'Ordre national de mérite et médaillé d'or de la santé. M. Tambari Goga, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être l'invité du studio Kalangou. Monsieur, bienvenue au forum du studio Kalangou. Monsieur Ali Sebou, quelles sont les missions et les attributions de la grande chancellerie de l'ordre national du Niger Merci. Avant de répondre à votre question, euh, j'aimerais vous remercier d'avoir nous invité à débattre euh, un sujet sur lequel la grande chancellerie mène des actions de sensibilisation euh, pour faire éveiller les travailleurs. Avant de, vous parler des avantages ou des choses, des décorations, il y a lieu de rappeler que la grande chancellerie a été créée en 1959. Dans l'esprit du législateur, c'était pour récompenser les travailleurs, stimuler les autres à pouvoir mieux travailler. Donc la grande chancellerie est une institution centrale qui est chargée de la discipline et de la gestion des décorations. De 1959 à nos jours, il y a eu plusieurs décorations au début, c'était l'Ordre national du Niger, qui est destiné à récompenser les services séminaires rendus, soit à titre civil, soit sous les drapeaux à la République du Niger. C'est la plus haute distinction honorifique. Il comprend deux dignités, euh, dignité de grand officier, dignité de grand croix, et trois grades, chevalier, officier, euh, commandeur. Donc, euh, nous allons voir après les conditions d'admission. C'est valable pour les autres. Ensuite, c'était la première décoration. Le législateur, compte tenu de l'évolution économique et sociale du pays, a créé une deuxième distinction honorifique du Niger qu'on appelle l'ordre du mérite Niger, qui est destiné à, à récompenser les services éminents rendus soit à titre civil, soit sous les drapeaux à la République Niger. Il constitue la deuxième distinction, je disais. C'est les mêmes dignité, même grade. Donc, grand officier, grand croix, chevalier, officier, commandeur. Ensuite, toujours au cours de l'évolution, euh, il y a eu la médaille militaire. Il fallait récompenser les militaires après 15 ans de service. Ensuite, il y a eu la croix de la vaillance. Vous vous souvenez, bon, je ne sais pas les années, au temps de Diori jusqu'à Kuntier, il y avait eu des gestations de la rébellion. Donc les militaires qui participent au combat pour euh, éradiquer la rébellion, on les octroie la croix de la vaillance pour leur bravoure. Ensuite, vous avez l'évolution toujours du personnel, Le médaille de la santé, il faut récompenser tous les personnes, les médecins, les auxiliaires, tous ceux qui contribuent, ceux qui font des publications. Et, donc, la médaille de la santé également a été euh, créée. Auparavant, j'ai oublié de vous mentionner que la médaille militaire ne contient qu'un seul grade, un seul échelon. La croix de la vaillance, il y a deux. Il y a avec Étoile, avec Palme. Avec Étoile, c'est les, gens qui ont participé au combat. Avec Palme, c'est ceux qui ont participé et qui ont démontré un acte de bravoure ou qui sont morts ou qui sont blessés et blessés sur les théâtres d'opération. Ensuite, il fallait euh, récompenser également les gens de l'agriculture. Donc, lors du militaire agricole également ceux qui ont participé à l'évolution et à la productivité et le rendement de, ce secteur. Donc il y avait, il a trois grades, chevalier, officier, commandeur. Ensuite, maintenant, il faut récompenser les douaniers. Ils ont créé une médaille d'honneur de, douanes douane qui est chargée de récompenser les douaniers et le personnel civil qui est chargé de fournir l'enseignement aux douaniers. Ça ne concerne qu'un seul grade, la médaille d'honneur des douanes et compte tenu de, la spécificité du secteur, on ne donne que 5 médailles par an à la douane, alors que les autres, là, on va voir le contingent. Ensuite, vous avez ceux qui sont régis par la convention collective. Donc, il y a la médaille du travail qui est, destinée à ceux qui travaillent dans les sociétés, qui concourent à la productivité, ainsi de suite. Et donc, c'est le personnel régi par la convention collective on verra qu'ils ont droit à l'ordre national et à l'ordre du mérite, mais leur première médaille normale devait être la médaille d'honneur du travail, puisqu'on a créé pour chaque secteur une décoration. Ensuite, vous avez l'ordre des parlements académiques qui est censé être euh, attribué aux enseignants dans le domaine de l'éducation en particulier et de la culture en général. Il y a trois grades également, chevalier, officier. Vous avez la médaille des théâtres d'opération extérieure. C'est une décoration qui a été créée suite à l'invasion de l'Irak euh, euh, au Koweït. Et c'est en ce moment que cette médaille-là, tous ceux qui ont participé, ont droit à cette décoration. Et maintenant, tous les contingents qui sont partis dans le cadre de l'ONU à Abidjan, Timor, Oriental, Mali, toutes les missions onusiennes là, tous ceux qui ont participé ont droit à cette médaille dans le temps, on, on, récompensait les sportifs dans l'ordre des palmes académiques, mmh. puisqu'on parle de culture mmh. <laughs> et d'éducation. Donc euh, maintenant, ils ont créé leur propre médaille, l'ordre du mérite sportif, qui est chargé de récompenser les leaders, les sportifs, en général. bon, ensuite, euh, il y a les, la, police nationale, puisque chaque secteur est libre de créer sa, sa propre médaille. Il y a la police nationale qui a institué une décoration qu'on appelle médaille d'honneur de la police nationale. C'était suite à, la prise d'otage de du, Boeing à l'aéroport de Niamey, ah hein, dont les policiers ont libéré les, otages. Voilà les vraies décorations. Mais euh, il y a un autre projet, c'est la médaille d'honneur de l'art et de la culture, des arts et de la culture. Euh, parce que les, les, artistes et autres là on leur donne euh, n'importe quelle décoration, soit palme académique, ordre du mérite, ordre national. Mm. Voilà les 12 décorations du Niger. Vous dites tantôt que chaque euh, secteur peut créer sa médaille. Mais justement, quel rôle la grande chancellerie a dans la création de ces, médailles Tout département ministériel qui veut créer un mm. ordre ou une médaille doit faire un avant-projet de décret accompagné d'un rapport de rapport motivé, rapport de présentation, rapport de motivé, à la grande chancellerie. Le Conseil des ordres nationaux, qui est composé de cinq personnalités, plus le grand chancelier et le secrétaire général, qui est le secrétaire du Conseil, donc, examine et amende l'avant-projet de décret pour demander à de mettre tel visa ou bien de, reformuler telle phrase. On renvoie au ministère de tutelle qui a envoyé l'avant-projet. Après amendement, ils nous envoient une copie pour vérification, pour conformité. Et c'est à eux de multiplier ça au nombre de, ministères et de transmettre ça au secrétariat général du gouvernement. Il y a un comité technique de vérification des textes qui examine et soumet à l'approbation du, conseil de, de, cabinet. À partir du conseil de cabinet, le dossier est transmis au conseil des ministres qui l'adopte. Et si c'est adopté, le décret est signé nous, nous exécutons, nous commandons la médaille et le diplôme. Il arrive que ces propositions soient rejetées en Conseil des ministres Non, c'est la création, il euh, a pas euh, on n'a jamais rejeté. Depuis, en tout cas, moi, depuis 89, je suis à la Grande Chancellerie. J'ai jamais vu un projet de texte qui a été rejeté. Il y a eu au moins cinq ordres qui ont été créés ou médailles, mais j'ai jamais eu de, il a jamais eu de rejet. D'accord. Monsieur Tambari Goga, vous êtes euh, un des médaillés du, Niger. Vous avez été décoré quand En quelle année et combien de fois Qu'est-ce que vous avez valu aussi ces décorations Décoration, bon, ça suppose discipline, ça suppose euh, amour de son travail et rigueur, comme vous dites. On a aimé le travail, on a fait le travail. À partir de 5 ans, j'ai commencé à être proposé à médaille de bronze, infirmier auxiliaire, avant même que je n'aille à ma formation d'infirmier titularisé. Et les promotions ont eu lieu tous les cinq ans, partout où j'ai vécu, où je me suis trouvé. Quand c'est la période, on fait le mémoire, on propose. Si c'est mon ministre ici, si c'est mon directeur ici, on envoie à la chancellerie, la chancellerie qui envoie, machin à la présidence, et le décret est sorti. Où on est décoré, où on est ajourné. C'est comme ça que j'ai évolué de bronze à l'argent, vermeil, or, dans le cadre de la médecine du travail. D'accord. Vous avez aussi une distinction honorifique euh, grande, croix de l'ordre national du mérite. Chevalier, officier, commandeur, grande croix. Là, je progressais également au niveau de toutes les fêtes de 3 août à 18 décembre. 3 août à 18 décembre. Pour les 5 ans, j'ai évolué. Comme je vous dis, commencé chevalier, officier, commandeur, grande croix de l'ordre national. du hein? grand, officier de l'ordre national du mérite. Grande croix. Selon vous, qu'est-ce que vous avez valu toutes ces distinctions durant toute votre carrière Je ne mets pas ma compétence à doute. J'ai travaillé de Bilma à Gaïa dans ce pays pour éradiquer certaines maladies épidémiologiques contagieuses, telles la variole. Défigure le visage. Aujourd'hui, vous, vous ne voyez pas. On n'a pas une image pour vous montrer le visage d'un varioleux ou machin. Ça fait sur la peau, ça fait sur le visage. C'est plein de boutons qui ne disparaissent pas. On a éradiqué à 100% cette maladie. Chaque fois que vous recevez ces distinctions, quel sentiment vous avez le sentiment de machin, d'être primé, d'être sélectionné, mais c'est un, grand sentiment, c'est un grand honneur. La preuve, vous avez eu recours à moi aujourd'hui. Quand je passe partout, on me regarde, j'ai droit aux honneurs, j'ai droit au salut au drapeau. C'est déjà beaucoup de choses. J'ai droit aux soins. On dit les décorés, les médaillés de l'Ordre national du mérite sont exonérés des frais médicaux dans tous les hôpitaux nationaux. Je vais, je présente mon décret ma pièce dentée, on me prend en charge, on me soigne. C'est déjà beaucoup de choses. Je veux comprendre qu'à un moment donné, d'ailleurs, c'est les décorer, les médaillés et les membres de leur famille. Peut-être on est assez nombreux aujourd'hui, l'État est revenu là-dessus, où on ne prend que le médaillé pour le soigner. Ça, c'est la, seule exception, c'est le, le seul changement. Sinon, pour tout le reste, euh, on a droit, jusqu'à la mort, vous avez droit au drapeau national. D'accord, on, va revenir en détail sur ces avantages. Voilà, hein. euh, Monsieur Ali, qui sont habilités à proposer les bénéficiaires de ces distinctions Je vous ai dit que la Grande Sensibilité, c'est une institution centrale qui s'agit de la gestion. Et à l'approche de chaque fête, il y a des mémoires de propositions qui sont transmises dans les différents départements ministériels et chez les grands employeurs. Donc c'est à eux de sélectionner les meilleurs travailleurs les plus méritants. Ils remplissent les mémoires avec avis et classement par ordre. Ils transmettent à la grande chancellerie. Voilà la procédure. Maintenant, pour les titres exceptionnels, mmh. c'est le président qui décide ou un ministre qui décide ou une société morale euh, qui propose à titre exceptionnel. Parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Donc avant de, proposer, il y a les conditions. Pour accéder à une décoration, il euh, faut 15 ans de service, 35 ans d'âge, jouir de ses droits civiques et civils. Hein? Donc, sauf pour la médaille du travail, où c'est 15 ans de service, 35 ans d'âge, c'est la même chose, mais c'est géré par euh, le ministère de la fonction publique. Voilà les conditions. Donc, il y a des décorations à titre normal à l'approche de la, fête du 3 août, 18 décembre et 1er mai pour les, médaille la médaille du travail. Et il y a les titres exceptionnels. les titres exceptionnels, il y a les titres à titre posthume. Euh, le professeur Dankolodo ou bien le professeur Ba Mamadou. Bon, malheureusement, je ne sais pas, pour des raisons, je ne sais pas. Ils n'ont jamais bénéficié d'une décoration. Amr Chef, euh, il a fait l'OAIC, il n'a jamais bénéficié d'une décoration. Mais après, on lui a donné un titre exceptionnel. Voilà pour la promotion au grade supérieur, comme je vous ai défini qu'il y a des grades. La promotion, c'est tous les cinq ans. Si vous avez eu le chevalier de l'ordre euh, national, cinq ans après, vous pouvez demander une promotion. On peut vous proposer une promotion, mais pas directement. Maintenant, c'est à l'intéressé de demander ou bien Non, c'est sa structure. Si sa structure ne réagit pas, lui, il, fait une réclamation. Maintenant, compte tenu de son comportement dans le travail, dans la chaîne de, production, le patronat peut accepter et puis on le propose. Maintenant, en ce qui concerne l'ordre national, je vous ai dit que c'est la première distinction et c'est la plus haute distinction du Niger. Donc, pour être nommé dans l'ordre national, il faut que vous, soyez, vous obtenez au moins une décoration dans les 11 qui restent, parce que je vous ai dit qu'il y a 12. Oui, voilà, donc c'est, sauf le président de la République, lui, il a, il a accès directement à l'ordre national. Une fois démocratiquement élu, il a le, le grade, la dignité de grand croix. Maintenant, chaque Nigérien peut avoir la dignité de grand coureur de l'ordre national, mais il, chaque citoyen nigérien n'a pas le droit à porter le grand collier doré que le président pesant un kilogramme faisant Un kg d'or. Un kg. Un kg, la dernière investiture, là, c'est un kg d'or. C'est lui seul qui a droit, qui a été élu démocratiquement, il a droit pour faire la différence, puisqu'il est grand maître des ordres nationaux. Donc, il commande euh, toute la structure. Donc, les Nigériens peuvent avoir grand courage, comme le président de la République, mais la différence, lui, il a le, il a le droit d'avoir le grand collier doré et le grand croix accompagné de grand, euh, de, grand collier. Il faut être démocratiquement élu. Kuntin ne l'a pas. Wantin ne l'a pas. Salou a eu grand croix, mais il n'a pas le collier, puisqu'il n'a pas été élu démocratiquement. Donc ceux qui, euh, ont été euh, élus démocratiquement, Diori, Maman Ousmane, Baré Menesara, Tanja, l'actuel président, eux, ils ont droit euh, au grand collier. C'est ça qui fait la différence. D'accord. Monsieur, monsieur Tambari, ces, dernières années, les gens se demandent comment est-ce qu'on sélectionne les anges pour être décorés, surtout à l'occasion des fêtes du 18 décembre. On a vu des personnalités qui ont été décorées par le simple fait d'avoir organisé la fête tournante du 18 décembre. Euh, qu'est-ce que vous pensez de cela Comme on a dit déjà que c'est pour encourager ceux qui ont travaillé dans les fêtes tournantes. Si je vous donne un exemple, certains entrepreneurs qui viennent construire 50 villas remettent à la nation, à leur argent, à leurs frais. Je pense qu'ils méritent un encouragement parce que c'est pas la seule région, un autre aussi va voir, demain il va dire si je fais la même chose, moi aussi je vais avoir, c'est pas un ordre national ou machin, comme une décoration. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, si les gens peuvent le comprendre. C'est ceux qui ont fait quelque chose qui ont une récompense. Quand on ne fait rien, on n'a pas de récompense. Que ce soit seulement à la fête tournante, que ce soit un travailleur normal qui sert l'ensemble de ses parents, de ses compatriotes, s'il le mérite, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas décoré. Ça va motiver son prochain à faire la même chose. Critique pour critique, ce n'est pas brader, ce n'est pas vendre, ce n'est pas bazarer. Ces gens, ne serait-ce qu'une seule fête, elle est tournante, elle apporte quelque chose. Un environnement vital, le monsieur, il a mis du sien, il a fait quelque chose, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le décorer. On peut très bien le faire, ça va motiver demain un autre. Effectivement, il y a certaines critiques qui fusent à gauche, à droite, mais les gens n'ont pas lu les textes. Mhm. L'objectif même de la grande chancellerie, c'est une, euh, récompense pour service rendu à la nation. Or, vous prenez l'exemple d'Agadez, euh, quelqu'un qui a pris l'engagement de construire 100 villas sur fonds propres. Il a libéré 40 villas. Il a été proposé. Nous, on a dit que voilà, sur un rapport motivé. L'exemple de Tawa. L'exemple de Tawa. On a dit voilà, voilà. Donc, Parmi les organisateurs, tels que par exemple Mme Betty, qui a organisé toutes les femmes d'Ottawa, elle a été décorée. Et il y a des gens dont leur travail n'est pas connu du public, mais eh, en souterraine qui ont bien travaillé, qui ont bien mobilisé. Eh, donc, on les décore. Maintenant, il y a un choix politique. Le président de la République, il peut nommer n'importe qui. Comme il l'a fait avec euh, le chanteur du, Zender. Mona. Mona. L'autre, le jeune là, normalement, il ne devait pas être décoré deux fois. Euh, Al-Barka, <laughs> il a rendu d'éminents services. On lui a décoré, on lui a donné deux décorations. Donc, c'est normalement ce genre de, de récompense qu'il fallait donner. Maintenant, pour les autres décorations, le cabinet propose, euh, pour les autres travailleurs, le cabinet propose quelques, quelques personnalités à décorer. Oui le, la grande chancelier également propose et certaines structures aussi proposent, quand il y a des conférences ici, ce que mobiliser les fonds <laughs> pour organiser la conférence, hein, euh, on, décore le, le, leader de, de, de, de, celui qui a organisé la conférence. Voilà comment ces personnalités-là sont décorées officiellement. Sinon, il y a une autre longue liste. On ne peut pas décorer tout le monde c'est fatigant protocolairement le président. Cinq personnes même, c'est trop pour un président de la République. Mais nous insistons pour amener ça à 16, 15, 13. D'accord. Et comment se fait la décoration au niveau des, diplomates Les diplomates, c'est en fin de mission. Et il y a eu euh, un canevas qui a été trancé. Donc, tout ambassadeur qui, qui est en fin de mission il a droit au grade de commandeur de l'ordre du mérite. Dans, l'ordre, dans la, la, deuxième distinction honorifique du Niger. Bon, il arrive qu'on rejette que. il arrive aussi que euh, des personnalités viennent de passage au, Niger et qu'ils soient. Oui, quand il y a les visites officielles. Oui. Quand il y a quelqu'un qui a une ONG, qui a un point focal ici, il y a une ONG qui, participe au développement économique et social, s'il vient en visite euh, officielle, le président peut décider de, de, de de, la décorer. ou bien les visites officielles. Vous les visites, ça c'est à titre exceptionnel. À titre exceptionnel, il n'y a pas de conditions Vous pouvez commencer trois mois. Quand vous rendez d'éminents services, un service éclatant, on, vous, on vous décore sans, sans, sans condition que vous soyez nigérien ou, étranger. Mais il suffit que le, département ministériel produise un rapport motivé pour, euh, démontrer que voilà ce que l'intéressé a rendu à la nation, malgré son, jeune âge. Vous avez vu un jeune écrivain, c'est fou. Voilà, il est parti, il a décroché, et, il est jeune, il n'a pas 15 ans d'activité littéraire, et compte tenu du prix qu'il a eu au nom de la République du Niger, le président a décidé de le décorer en, remettant la médaille officiellement lors de la fête du 18 décembre Tawa. Monsieur Tamari, aux jeunes fonctionnaires que, nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes pour obtenir ces décorations, vu leur importance D'abord, d'abord le jeune fonctionnaire. Il faut que lui-même qu'il ait le besoin manifeste d'obtenir cette décoration. Elle est là, elle est créée pour lui. Mais il y a des conditions. Il faut rentrer dans ces conditions pour l'obtenir. Et ces conditions, c'est ce jeune travailleur qui doit se la créer. C'est la ponctualité, c'est la rigueur, c'est la compétence sélectionnée. Votre euh, chef de service, il est là, il va pas se mettre à vous coller une médaille à la patrie alors que lui, il n'a rien. <laughs> Oui. Il y a l'égoïsme il humain aussi. Absolument. Il y a l'ignorance. Il faut que le jeune fonctionnaire découvre qu'est-ce qu'il a comme privilège et avantage chez lui tout autour de son ministère du Travail de sa direction de travail, de l'ensemble de l'hierarchie. C'est un phénomène d'hierarchie. Quelquefois, quand on vous demande à la fin du 1er mai, vous devez fournir jusqu'au casier judiciaire, dire que vous êtes indemne, vous n'avez jamais été condamné, avant que le ministre ne vous propose. Quelquefois, le casier judiciaire ne se trouve pas à côté de là où vous travaillez. C'est en ce moment, peut-être à peu près à janvier, février, qu'il faut commencer à le chercher. Parce que le 1er mai, c'est pas loin, c'est dans deux mois. Il faut déposer le dossier avant deux mois. Si vous remplissez les conditions, vous savez que vous êtes rigoureux, vous attendez qu'on vous propose. La première année, si ce n'est pas fait. La deuxième année, vous pouvez aller réclamer. J'ai droit à ceci, pourquoi je ne pas proposer? proposé Le chef vous dira. Il fera la mention. S'il si ne veut pas, il, va mentionner, il va envoyer. Vous allez être ajourné. Si vous passez, vous passez. Mais c'est la ponctualité et la rigueur. C'est la compétence. D'accord. Monsieur Ali, ça veut dire qu'un condamné ne peut pas être décoré un condamné, un condamné ne peut être décoré. Celui qui a un mandat électif un député, normalement, il doit être décoré. C'est ceux qui sont en activité, qui travaillent par la sueur de leur front, euh, qui, qui, sont, qui sont concernés. Et euh, pour les jeunes, il y a un problème générationnel. Ah pour les jeunes de maintenant, ce n'est pas rendement qui les intéresse, c'est autre chose. Oh, maintenant, celui qui est conscient qu'il est venu pour travailler pour la nation, il doit se battre, travailler arduement, se battre, et il est automatiquement proposé pour être, pour être décoré, même s'il est jeune, même s'il n'a pas les 15 ans. Si quelqu'un, euh, un, technicien vient ici, vous révolutionnez votre studio, vous avez la, possibilité de le proposer à titre exceptionnel à la mairie du travail, que vous transmettez au ministère de la fonction publique et du travail, qui, qui va soumettre ça il un comité tripartite composé de syndicats, patronats, les centrales, la grande chancellerie, la main-d'œuvre, ils vont examiner le dossier et ils donnent leur avis. Ensuite, c'est transmis à la grande chancellerie. Il y a un traitement. Il y a un conseil des ordres nationaux composé de cinq personnalités qui va examiner tous toutes ces, propositions. Et maintenant, on envoie au président, on a dit voilà, en fonction, puisque chaque année, au début de chaque année, il y a un quota. Parmi les 12 médailles, il y a un quota. Par exemple, ordre national, on doit donner 300 par an. Maintenant, le nombre d'officiers c'est 40% de 300. Le nom de commandeur, c'est 20%, ainsi de suite. Voilà comment les critères sont définis. Il faut avoir 15 ans de service. Ah et, également tenir compte du nombre de, de, quotas. Le président, on lui propose, on lui dit voilà, conformément au contingent annuel et les critères définis par les textes, voilà les personnes qui sont proposées. Maintenant, des fois, il euh, il, fait, et fait d'autres, dont il, a des renseignements sur, que nous n'avons pas. L'idéal serait que tout celui qui est proposé pour une décoration, qu'on mène une enquête de moralité. Sur la personne. Sur la personne. Malheureusement, on n'a pas les moyens et puis il y a trop de, lenteur dans la transmission des dossiers, ce qui fait que, bon, nous travaillons comme ça, mais nous sommes en train de reprendre les textes pour pouvoir imposer, euh, quitte à faire une seule décoration dans l'année. Comme ça, durant toute l'année, on recevra les, mémoires de proposition et nous mènerons des investigations à travers la gendarmerie et la PJ. D'accord. Donc, toute structure en activité au Niger peut proposer à la fonction publique des décorations de leurs agents. Tout, pour la manière du travail. Pour ceux qui sont régis par la convention collective. D'accord. Hein? Donc, toute structure, même familiale, si vous avez une société familiale, le, le chef de famille peut proposer le, le, jeune euh, leader qui est en train de gérer et, d'amassonner de beaucoup de, sous, <laughs> il peut le proposer. Et il peut même demander au, ministre de la fonction publique le jour de la fête du 1er mai qu'il soit décoré officiellement, qu'il y ait la remise officielle de décoration. D'accord. Monsieur Tambari a commencé à énumérer les, différents avantages que procurent ces, décorations. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail ces, ces, avantages Est-ce qu'elles diffèrent selon les décorations Non, elles ne diffèrent pas selon les décorations. Oui, bon, il y a une différence à un niveau. D'abord, le premier euh, avantage, avantage c'est à titre honorifique. Vous avez mérité pour service rendu à la nation, on vous a récompensé. C'est déjà un honneur. Normalement, dans les autres pays, vous faites la différence entre celui qui est décoré et celui qui n'est pas décoré. Hein Deuxièmement, euh, en ce qui concerne l'ordre national, qui est la plus haute distinction honorifique, il suffit d'avoir le seul grade de chevalier. En cas d'hospitalisation, les frais d'hospitalisation sont gratuits sur l'ensemble du territoire national, les hôpitaux nationaux. En cas de cérémonie officielle, celui qui est décoré, normalement, le, protocole des affaires étrangères doit l'inviter d'office. Quand vous avez la médaille pendante, accrochée, si un général vous rencontre, il doit vous saluer militairement si une sentinelle est, présente devant euh, euh, une garde, devant le, portail, il doit vous présenter l'arme. Maintenant, pour l'ensemble des décorations, ça c'est une pratique de la fonction publique. À titre égal, note égale, ancienneté égale, on vous départage par la décoration. Pour les avancements, au choix. Hein? Si on doit faire avancer trois personnes alors qu'il y a sept, on les départage par les par les décorations. Par les décorations. Voilà. Donc si parmi les sept, il y a une qui a une décoration, il est privilégié d'avoir. Maintenant, il faut voir la différence entre les différentes décorations. Celui qui a l'ordre national, il est prioritaire. Celui qui a l'ordre militaire, il, euh, ordre mérite, il, est deuxième. Celui qui a mérité de notre travail au Parlement académique, ainsi de suite, il est troisième on, élimine les quatre. Voilà les, avantages. Maintenant, ce qui concerne la médaille du travail, dans le secteur privé, vous avez ce qu'on appelle comité d'établissement qui, sont créés. Donc, au moment de la création de, ce ces comités, certaines sociétés ont introduit des avantages financiers à toute personne décorée. Quand vous prenez le cas de, la Nigelec, eux, c'est plafonné. Celui qui a bronze, il a 40 000. Celui qui a argent, il a 5, comme ils sont nombreux. Au début, avant, c'était tout celui, qui est décoré à un mois de salaire net sans retenue ni de la banque, ni de, de, de, internes. Maintenant, compte tenu du nombre très important du personnel, ils ont plafonné. Les professionnels de banque, ceux qui gèrent les banques, dans leur statut et leur règlement intérieur, ils l'ont introduit. Tout celui qui est décoré a droit à une décoration. Un mois de salaire net dans les banques, c'est beaucoup. sans retenue maintenant, majoration du jour de congé. oui, euh, oui, majoration. Maintenant, c'est euh, par exemple, non, ça c'est pour la médaille d'or. Et la grande médaille d'or, celui qui l'obtient, il a, il a deux jours de plus sur ses congés. Sur ses congés, annuels. Euh, bon, maintenant, nous, nous, on ne peut pas instituer des indemnités. Le prix pour... de la médaille, le prix du privé, et une autre prime équivalent autour du salaire. Ça, comme il l'a dit, ce sont les professionnels de la banque. ce sont les professionnels de la banque. Ah une, organisation interne. Parce que l'État ne peut pas, euh, compte tenu de la tension <laughs> trésorerie, de, trésorerie permanente, mhm. l'État ne peut pas instituer des indemnités pour les privés parce que l'État n'a rien à voir avec la gestion des privés. Donc maintenant, c'est laissé à l'appréciation entre le patronat, le patronat et les travailleurs. donc il y a beaucoup de sociétés qui s'organisent dans ce sens. Voilà les différents avantages. D'accord. Parce que là, eh, on n'a pas parlé parce qu'il y a des, droits de chancellerie à percevoir dans ces genres de décorations. Souvent, on est là, on dit je suis décoré, j'attends ma médaille. Elle ne deviendra pas comme ça. La chancellerie commande pour l'ensemble des décorés, moyennant une rétribution, un prix. Chaque médaille a son coût. Le brevet a son coût. Vous payez le prix du brevet, vous partez verser au trésor. Quand vous êtes décoré Quand vous, êtes décoré, vous, partez, on vous donne un reçu, vous versez au trésor. Avant. Maintenant, la comptabilité se trouve à la chancellerie. Vous payez à la chancellerie et le brevet et le prix de la médaille. Si c'est disponible, on vous rétribue, on vous donne la médaille et le brevet. Si elle n'est pas disponible, vous passez commande. Le jour où elle sera là, on va vous informer. Votre médaille est arrivée, venez payer, prendre. Et le prix, c'est à peu près à combien les médailles ont des coûts différents. avec. Je peux ajouter, Pomps, euh, qu'effectivement, il y a des droits de chancellerie qui sont fixés par arrêté conjoint ministère des Finances, Grande Chancellerie. Les médailles là sont subventionnées par l'État du Niger. Je vous donne à titre d'exemple. Il a, lui, il a grand courage de l'or national. Quand on commande ça chez Arthur Bertrand, le seul fabricant qui a le monopole depuis 1959, il nous fabrique l'unité à 980 000 francs. L'unité à 980 000 980 000. Nous retrocedons ça à 200 000 maintenant. Avant, c'était. Aux au bénéficiaires. Aux bénéficiaires. Le grade de chevalier de l'ordre du mérite, nous commandons ça à 65 000. Mais nous retrocédons ça à 15 000. Le palme académique, 6 000. Alors que nous commandons l'unité à 35 000. Et le texte que, que, vous avez là a été modifié. Celui-là celui-là a été modifié. Mhm. Donc, voilà le, coût. Ça dépend. Euh, c'est subventionné. Mhm. Mais vraiment, nous ne vendons pas euh, comme des commerçants. <laughs> <laughs> oui, Il y a certains, certaines réticences, il y a certaines personnes qui disent, certaines personnes qui disent que non, mais ils ont mérité, ils ont refusé, on doit leur donner ça gratuitement. Alors qu'au Burkina, c'est l'intégralité à la commande qu'il faut payer C'est à la commande. À la commande. ce que ça a coûté à la grande chancellerie du Burkina, c'est ça que vous devez payer. Si vous n'êtes pas parce que ceux qui sont décorés officiellement par une autorité administrative, euh, religieuse et autres là, politique, ces personnes-là sont exonérées. Ils ne payent rien. Elles ne payent rien du moins. Elles sont exonérées. Si un, ministre ou un SG organise ou un DG organise une cérémonie pour décorer un gradé et un ouvrier, vous ne payez rien. Et les frais de, de diplôme et la médaille. Ça, c'est le ministère qui prend ça en charge. Non, non, c'est gratuit. C'est la loi qui dit que toute personne qui, a, qui a reçu une décoration des mains d'une autorité politique, administrative, religieuse, hein, et exonéré des frais des droits de chancellerie c'est gratuit. Maintenant, si vous êtes décoré médaille d'honneur du travail pour la fête prochaine, faites pression sur votre DG, il organise une petite cérémonie accompagnée d'une collation. On vous remet la médaille gratuitement. Gratuitement. <laughs> D'accord. D'accord. Oui. Monsieur, monsieur, Tamari, tout à l'heure, euh, monsieur Ali a vraiment détaillé comme vous l'avez fait les avantages. Mhm. Est-ce en tant que décoré, vous bénéficiez de tous ces avantages Oui, j'ai commencé. Je commençais, ce pas d'aujourd'hui. À chaque fois que je rentre à l'hôpital national, je ressors, je ne paye rien. J'amène, je photocopie mes requêtes, j'amène. Voilà le décret. Pourquoi les gens souvent, ils, souffrent à l'entrée de l'hôpital. Ils viennent, ils se disent, des fois ils amènent même la médaille. Ils n'ont pas les références du décret, ils n'ont rien. L'administration, c'est le papier, c'est l'écrit. Les décrets sont là. Vous amenez la copie de votre décret. C'est écrit là-dessus. Votre papier d'identité. Votre pièce d'identité, le numéro matricule où vous avez travaillé, c'est terminé. On fait le service. Vous rentrez. Je peux ajouter Oui. effectivement, il a raison. Il y a trois documents à fournir. D'abord, il y a le décret de la grande chancellerie qui institue cette gratuité. Oui. Ensuite, il y a le décret portant création de l'établissement de l'hôpital. Ils l'ont mentionné dans leur. Ils ont repris notre article. Oui. Ensuite, maintenant, le décret ou une copie du diplôme qui vous a nommé dans l'ordre national. Ce sont ces trois documents plus la pièce d'identité que vous présentez malheureusement, il y a vraiment, euh, les, gens ne sont pas sensibilisés, euh, ils, ne connaissent pas leurs droits. On est en train de, de sensibiliser par des, des documents, tels que ces documents. Et euh, à un moment, il y avait le, son Excellence, Monsieur Il Salifou, un ancien ambassadeur qui était membre du Conseil des ordres nationaux, qui a proposé la création d'une association des décorés. Le montage a été fait, le premier draft est avec lui. Malheureusement, il y a eu une petite mésentente entre la grande chancellerie et ses écrits. Mais maintenant, ceux qui veulent, les, découverts qui veulent qu'il y ait l'association, s'approche de son excellence euh, Il Salif, à la maison. Mhm, mhm. Il va vous donner une copie. Et maintenant, l'association prépare, actualise, puisqu'il y a eu des nouvelles créations, tout ça là, mhm. actualise le document, transmet à la grande chancellerie qui donne son avis maintenant, eux, ils ils, présentent leurs documents au, niveau du ministère de l'Intérieur pour avoir l'agrément. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a des décorations qu'on ne porte pas, qui ne sont pas pendatives Oui, bon, il y a euh, le, grade de commandeur qu'on met au cou pour la cérémonie de remise. Juste pour la cérémonie, oui. Vous pouvez, porter ça, mais vous ne pouvez pas porter ça pour vous promener. <laughs> <laughs> Mais les autres décorations, euh, il y, a, des, décorations en miniature. en miniature. Il y a des rosettes qui représente le grand courant, là. Donc il y a une boutonnière. Hein? Donc les deux palettes sont en doré. bon, ceux qui sont les professionnels, enfin ceux qui sont avertis, ils savent que celui-là, il a la dignité de grand courant. Grand officier, une aile dorée, une autre aile blanche. Ça, c'est grand officier. Commandeur, deux ailes blanches. Officier, c'est une simple rosette boutonnière. Chevalier, c'est une, une, un truc rectangulaire. C'est ça que vous voyez sur les poitrines des militaires. Au lieu de porter la médaille, ils portent ça. D'accord. Mais quand il y a des grandes cérémonies, ils peuvent porter les, décorations pendant. D'accord. Monsieur Tambari, euh, chaque fois que vous portez une décoration, euh, est-ce que vous avez des réactions de la part des autres citoyens Et quelles sont les réactions déjà on, vous, donne votre valeur aussi. Mais il y en a qui ne savent pas que vous êtes décoré. Mais une fois qu'ils le, voient, ils le savent et ils disent, mais voilà, un tel là, non. Moi, je l'ai vu avec sa médaille, il est décoré. Ce de bouche à oreille, ça se dit. Vous sortez dans la ville de Némé, bon, mais dès que machin, l'agent de police qui vient, il vous regarde, même s'il doit vous contrôler, il dit, monsieur, passez. Parce que vous-même, vous êtes un agent assermenté. Vous pouvez départager, vous pouvez juger avec votre décoration. C'est là où on dit, vous avez droit à tous les honneurs pouvez pas vous adresser à une telle administration si vous déclinez, vous devez à tout moment décliner votre identité. Si vous déclinez, hmm. le, le prévenu, il vous reconnaît vos droits. Le non prévenu va l'apprendre. Et ainsi de suite. C'est de cela qu'il s'agit et c'est cela qu'il faudrait. C'est pas comme le la fierté à ce que les autres jeunesses puissent vouloir progresser. Maintenant, tout ce qui nous reste, c'est l'annuaire là. Celui-là, il a la date de 1984. Je crois qu'on n'a plus édité un autre. La plupart de ceux qui sont dans cette année là ils sont morts. Que ce soit Nigérien, que ce soit étranger, que ce soit c'est l'ensemble. A commencer par le président le grand chancelier général du pays qui est à la grande croix de l'ordre national du Niger. Est-ce que avec ces décorations à l'extérieur du Niger, ça vous confère aussi des avantages En tout cas, là, je vis au Bénin-Togo. Le gars, il voulait, hein? Il voulait prendre mon passeport. Il a vu, bon, j'ai dit, bon, écoutez, voilà, voilà, voilà. Ce... Il dit, ah, vous êtes nos patrons, vous, la machin, mettez-vous de côté. Il a cessé de me contrôler. Quand le bus est fini, il m'a monté dans mon bus, je suis parti. Benin Togo, j'ai vécu. Effectivement, ça, ça, procure des avantages à l'extérieur hmm. Protocolaire. Quand vous, portez les insignes de Grand Croix ou de l'ordre de Grand Croix, et quand vous partez au Nigeria, dès que les militaires viennent, ils voient la rosette il vous salue, officier. il vous salue, vous passez. Quand vous partez en France, si, même si l'avion est bondé, enfin, arrivé quand, dans, l'avion même, quand vous avez l'insigne, vous êtes considéré comme un diplomate, on vous déplace pour vous donner place, place, euh, place à faire. Place, oui. Classe à faire. oui. À Paris, quand vous, êtes dans, dans, le métro euh, ou autre moyen de transport, quand vous avez une, une décoration, que ce soit nigérienne ou étrangère, quand vous êtes debout, le contrôleur fait lever les gens pour vous, vous faire asseoir. Et donc, à l'intérieur du Niger, c'est un modèle. Dès qu'on voit, on sait que c'est un modèle. Je vous donne euh, un exemple. Euh, avant la création des décorations nigériennes, il y avait des décorations nigériennes dans le temps. Par exemple, un guerrier, on lui donne une lance parce qu'il a fait acte de bravoure. On lui donne une étoffe. Et dans toute la région, dès que vous le voyez avec l'étoffe, c'est un meyachi, C'est un Ensuite, il y a le Kaura. Kounché voulait instituer aux, différents festivals, au lieu de médailles olympiques, là, il voulait instituer des décorations nigériennes, notamment le Kaura, et ainsi de suite. Il y a plusieurs décorations. Il a fait ça une seule fois, malheureusement. Puis Il est décédé. Et nous, on s'allie à la Légion d'honneur française. D'accord. Mhm. Euh, monsieur Ali, oui. est-il possible de retirer les décorations Si oui, pour quel motif de les retirer. Oui. Celui qui est condamné, Voilà. celui qui est condamné dans les textes, le ministère de la Justice. En fait, après décoration, s'il est condamné. Après décoration, oui, le, ministre de la Justice et les affaires étrangères pour les étrangers qui sont décorés, s'ils ont eu écho que telle personne a été décorée, mais condamnée, ils nous saisissent. Nous, nous saisissons, nous faisons un projet de décret, de décret portant retrait de la médaille. De la médaille. On propose ça au président de la République qui signe. Il y a eu beaucoup de Nigériens. On a je ne cite pas les noms, <laughs> je ne cite pas les noms, mhm. mais après qui, ont été réhabilités. Oui. Mhm. Mhm. D'accord. Et qui doit veiller à ce que les décorés juste de leurs avantages Nous, on a dit de la gestion et de la discipline. Nous, <laughs> maintenant, c'est les décorés même qui doivent créer leur association pour euh, défendre leurs intérêts. Puisqu'on ne peut pas aller euh, dans une société pour dire il faut, il faut lui donner une, euh, une enveloppe parce qu'il a été décoré. C'est le personnel, travail, le personnel du service qui doit s'organiser, non dans la violence, dans la négociation patronale annuelle, pour faire ses propositions. Il y a beaucoup de textes, en tout cas au niveau de la fonction publique, qui n'ont pas encore abouti, mais euh, les gens ne se, fatiguent pas. D'accord. Monsieur Tambari, quel est votre dernier message à l'endroit des décorés et ceux qui n'ont pas été encore décorés Mon dernier mot pour ceux qui sont décorés, c'est toujours de persévérer et de montrer le bon exemple. Qu'on travaille, qu'on ait cessé de travailler, qu'on essaie toujours de contribuer pour apporter le meilleur de soi-même. C'est ce que nous faisons souvent. Je pas, dans certaines radios, vous nous entendez le matin, opinion plurielle, nous apportons nos avis, nos opinions. Beaucoup de gens nous réclament aujourd'hui, de Bilma à Gaïa, à travers tous les pays. Tous les matins que le bon Dieu fait. Quand on a les unités, on appelle, on donne des conseils avant qu'on rentre dans le système de travail. Donc si vous avez encore la décoration et que vous pouvez informer, hein, sensibiliser vos enfants, vos petits-enfants, hein, vos frères, vos camarades pour qu'ils puissent progresser et qu'ils puissent eux aussi en bénéficier, ce serait une meilleure chose. Le travailleur sache que c'est dans son travail, dans la rigueur de son travail, hein, qu'il se fasse aimer par son entourage il se verra décoré, quel que soit le temps. Voilà, merci. Donc je rappelle à nos auditeurs que la grande chancellerie du Niger, on peut retenir qu'elle a été créée en 1959. Elle vise à récompenser les travailleurs et stimuler les autres pour mieux travailler. Le Niger dispose de 12 médailles actuellement. L'un des avantages de ces décorations, c'est d'abord l'honneur, mais aussi la gratuité des soins dans tous les hôpitaux nationaux au Niger. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu dans ce studio M. Tambari Goga, grande croix de l'Ordre national du mérite et médaillé d'or de la santé, et M. Ali Sebou, ancien secrétaire général et conseiller technique de la grande chancellerie de l'Ordre national du Niger. Je vous donne rendez-vous pour un autre forum du studio Kalangou demain à partir de 18h15. Merci et au revoir.